arabique de, l'islam et vous avez euh, montré que le Coran été révélé par l'arabe. Vous avez également montré que l'arabe est une euh, identité, un symbole de l'islam. Euh, vous avez insisté sur cette dimension, disons, d'expression euh, de, l'arabe comme une langue qui unifie les peuples musulmans. Et vous avez insisté sur le fait que face à la colonisation, euh, qui a essayé de rayer les identités culturelles, l'islam s'est imposé par l'arabe comme facteur de défense et on aurait pu prolonger la réflexion pour montrer que à la fois chez Mam Seigne Mbake, euh, chez euh, Mam Alaj Malik, comme auprès de plusieurs guides, ils ont exprimé leurs pensées dans la langue arabe. Ils ont combattu le colon par la langue arabe et leurs œuvres sont diffusées dans la langue arabe qui est une langue sacrée euh, et, vous avez beaucoup insisté sur cette dimension, que dans les cadres religieux, la langue arabe conquiert une dimension sacrée. Vous avez aussi laissé entrevoir qu'on est dans un environnement marqué par une hybridation culturelle et nous, nous sommes assez heureux de dire, dans cette hybridation entre l'arabe et les langues nationales, l'arabe est intégré dans notre civilisation. Vous avez vu par nos noms, par nos manières de faire, par notre habillement, par notre vision du monde, que l'arabe est tota-, totalement intégré dans nos manières de faire, tout en reconnaissant dans la diversité culturelle qu'on est dans un environnement d'hybridation assez marqué. Et c'est cette hybridité qui est évidemment le moyen par lequel le pluralisme s'exprime, y compris le pluralisme linguistique. Voilà, nous avons dans la salle des, grands spécialistes linguistes, Mama Hamsek docteur est dans la salle, euh, d'autres spécialistes. Je suis heureux tout à l'heure de passer le témoin, euh, professeur Khadim Baké, qui est dans la salle, qui est notre aîné à l'IFAN et qui a beaucoup travaillé dans ces directions. Il y a dans la salle une diversité de spécialistes qui nous édifieront sur, évidemment, euh, la manière dont euh, le monde va se développer et l'expression de l'identité de l'islam continuera à s'exprimer dans la langue arabe tout en empruntant ce que, empruntant ce que euh, docteur, professeur euh, Abdou Kebe nous a dit tout à l'heure, que la diversité culturelle c'est d'abord la diversité euh, des individus. Et c'est cette marque de pluralisme qui est aussi très importante à magnifier. Docteur, nous voulons vraiment vous remercier pour la qualité de votre intervention et passer la parole immédiatement à celle que j'ai présentée tout à l'heure comme l'une des sociologues les plus connues euh, dans notre environnement euh, africain. Je veux nommer professeur euh, Fatou Sow de, de l'IFAN et qui dirige le laboratoire genre de l'IFAN et qui va nous parler euh, du renouveau islamique et du rationalisme scientifique. Euh, je voudrais d'abord, en disant Ouzbillah, Tan Rajim, Bismillah, Rahman Rahim, Allahumma Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, remercier ceux qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui, le président du comité scientifique, euh, ainsi que Cheikh Abdelhat et Cheikh Gay, euh, qui m'ont euh, fait part de l'intérêt qu'ils ont par rapport aux réflexions que je mène. ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est une réflexion initiée il y a déjà quelques années avec mes maîtres, c'est-à-dire deux de mes professeurs, L'un qui s'appelle Mike Singleton, euh, qui est un anthropologue qui a dirigé mon mémoire de maîtrise en sciences de l'environnement ici à Dakar, et grâce à qui je suis partie enseigner aussi dans une université jésuite en Belgique, à Namur, et qui est un père blanc. L'autre, c'est Pierre-Philippe Rey, qui est un marxiste, communiste, maoïste. Et avec eux, il y a eu ce dialogue sur les questions de la religion. En fait, ce qui nous unit tous, c'est notre discipline qui est l'anthropologie. L'arrivée du judaïsme, que Dieu nous a dit que nous sommes tous égaux devant Dieu, mais le judaïsme, les, juifs se sont considérés comme le seul peuple élu. Avec le christianisme aussi, il y a eu la reconnaissance en demandant d'aller prêcher auprès de toutes les nations. Mais pour eux, la récompense sera dans l'au-delà, et que tout comportement humain sur terre est l'œuvre de Satan, la rédemption, c'est dans le futur. C'est la religion musulmane qui nous a permis de dire que nous sommes ici sur terre comme si nous ne devions jamais la quitter, et nous sommes ici sur terre en disant que demain, à tout moment, nous devons rejoindre notre Seigneur. C'est à partir de ce moment-là que nous avons compris que Dieu nous a confié cet espace terre en nous confiant une mission. Et cette mission, nous ne pouvions la remplir en étant dignes de notre Seigneur que par la connaissance et par le savoir. Peu importe, est-ce que les hadiths qui disent qu'il faut aller chercher la connaissance jusqu'en Chine sont avérés ou pas Quoi qu'il en soit, le premier verset de notre religion nous oblige à la connaissance. Et cette connaissance-là, elle est universelle pour nous, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit noir ou blanc, c'est une exigence pour tous. Et j'en profiterai pour dire toute ma fierté d'être ici en tant que femme, parce qu'en réalité, la première université au monde qu'on considère comme la première université au monde, c'est elle de Al-Khawarin, a été une université créée par une femme du nom de Fatima Al-Fahriya. Bien avant l'université de Bologne, bien avant l'université de la Sorbonne, bien avant toutes ces universités du monde. Donc c'est une femme qui a été à l'origine de la première université du monde. Donc il n'y a que le savoir qui, qui vaille la peine d'être recherché. Alors, nous avons compris ce que notre religion nous a demandé de faire. En réalité, l'autre concept que j'utilise avant d'arriver à cette notion d'universalisme, c'est la notion de liberté. La religion musulmane a rompu toutes les chaînes en nous disant que nous sommes tous égaux devant Dieu. À partir de ce moment, il y a une égalité ontologique entre tous les hommes sur terre, entre les hommes et les femmes. Euh, avant de poursuivre, je n'ai pas salué les Mauritaniens qui sont ici. Parce qu'en réalité, moi je suis du Nord, je suis du Wallo, et Salam le sait, avec les Trarza, nos sangs sont mêlés. Et en réalité, quand les Sénégalais ici sont les parrains de leur école d'enfance. Moi, l'école de mon enfance, c'est à Alec. C'est là-bas où j'ai appris l'ABC français. C'est là-bas où j'ai appris, non pas Bassine, Mimara, etc., mais j'ai appris Alif Lam, Bataza, Jumahaha, etc., jusqu'à la fin. Donc, je voulais saluer mes amis de l'autre côté du fleuve en disant que nous sommes un et un seul peuple en réalité. Alors, euh, en revenant sur euh, cette thèse, ce qui m'intéresse aujourd'hui pour parler du renouveau de l'islam et de la dimension de l'importance de la science dans ce, ce rationalisme, c'est qu'en fait, notre religion a été fondée sur la base du rationalisme scientifique. Alors, à partir du moment où Dieu nous a dit « Je vous confie cet espace terre », ce n'est que par la connaissance que nous pouvions être dignes de notre Seigneur. Et ça, l'islam l'a compris après les deux premiers siècles de l'Éguire, où on a réussi à atteindre les confins du monde, l'islam, c'est le monde musulman, s'est donné comme responsabilité de collecter tous les savoirs dans son espace. Et ce qui fait dire à Michel Serres qu'entre 3500 ans avant Jésus-Christ jusqu'en 1948, entre le 8e et le 12e siècle, toutes les connaissances scientifiques dans le monde et sans exception sont sorties du monde musulman et pas d'ailleurs. D'ailleurs, vous le savez, les, élites musulmanes ont tellement compris leur mission que le califat abbasside a entrepris de collecter toute la science du monde connu pour la traduire en arabe et a financé la maison des sages qui très vite passe de la traduction de la science antérieurement acquise à la production accélérée de découvertes scientifiques sans précédent. Nous savons que ce qui est à la base de l'école française aujourd'hui, de l'école occidentale, c'est l'algèbre. Et l'algèbre, nous savons, c'est Al-Khawarizmi qui a été un des musulmans originaires d'Asie centrale, qui nous a permis d'arriver à partir de l'évolution des chiffres zéro pris chez les Indiens à ce qu'on appelle les tableaux fractions addition, soustraction, multiplication et division. C'est en réalité, euh, c'est lui qui a établi notre façon actuelle de noter les nombres. Et c'est à cette époque qu'a été construite la démarche qui est à la base actuelle de l'enseignement mathématique de l'école pour tous, enseignement primaire, dans le monde entier. Et c'est cette découverte scientifique manifeste non seulement l'impulsion que l'islam donne à la science pour élever son niveau, mais aussi la dimension universaliste que cette science doit atteindre pour entrer dans le projet universaliste de cette religion. Alors, nous avons aussi d'autres exemples, peut-être que je vais passer dessus. Je ne reviendrai pas sur euh, l'optique géométrique d'Ibn al haytham au XIe siècle. C'est à lui qu'on doit la découverte des lois de la réfraction et celle de la chambre noire, les deux conjugués qui lui permettent de décrire entièrement l'œil comme appareil optique. Nous avons aussi que l'islam a permis le développement de l'imprimerie, même si ça nous est venu de la Chine. C'est l'islam qui l'a popularisé, le monde musulman, qui a inventé une nouvelle méthode plus économique de fabrication du papier par tutrufaction des chiffons. Ces manufactures de papier se sont répandues par milliers à travers tout le monde musulman, permettant de produire chaque année des millions de copies de livres. Et d'ailleurs, en l'an 1000, la seule ville de Cordoue produisait chaque année 200 000 ouvrages par copie ou 20 000 ouvrages. Les copistes étaient essentiellement des femmes. Là encore, je magnifie le rôle des femmes dans l'expansion de l'islam. Alors, maintenant, la question que nous nous posons, c'est que comment le déclin est arrivé de la suprématie du monde musulman. Mais avant de passer à cela, je reviendrai à la fin c'est de retenir que qu'aujourd'hui, comme le disait Cheikh Ante Diop, nous n'avons aucune fausse honte à puiser dans la science parce que cette science n'appartient pas à l'Occident. Elle est universelle. Et d'ailleurs, un de mes professeurs, donc c'était Philippe Rey, qui me disait quand les, les Français viennent à Tombouctou, dire qu'ils font enseigner les mathématiques, les calculs aux petits Maliens. Mais on oublie que c'est de là-bas que c'est parti mais on nous a fait oublier notre histoire pour venir nous la, nous la réapprendre comme si ça nous vient de l'Occident. Et là, je vais raconter une anecdote. Dans les années 94 au Canada, j'ai découvert que les Canadiens avaient fait ce qu'ils appelaient les, cuisines collectives. Alors je suis venue au Sénégal, j'ai dit à une de mes collègues travailleurs sociales, parce que j'en suis une, ils vont nous le vendre. Et en 97, quand Boubou Diop m'accueille au Congat m'invite à une rencontre avec les Canadiens, ils étaient venus nous enseigner les cuisines collectives. Les cuisines collectives, c'était rien d'autre que les mbahal que les femmes sénégalaises faisaient, mais qui a été transportée par l'esclavage jusqu'en Amérique latine et que les Canadiens ont repris. Donc, de la même manière aujourd'hui avec les OGM, ils vont nous prendre, détruire nos semences avec les OGM, mais pendant ce temps, ils ont pris le soin de conserver toutes nos semences traditionnelles et ils viendront dans 10 ans ou 20 ans nous les revendre. Donc c'est exactement la même chose pour les sciences. C'est pourquoi je veux attirer l'attention sur les hommes religieux de notre pays. Que cette différence entre l'école française, soi-disant école française, n'a pas lieu d'être. Parce que ce qu'on enseigne dans cette école dite française, les mathématiques, la géométrie, l'algèbre, cela ne appartient pas. Il n'y a pas lieu qu'au Sénégal qu'on fasse cette dichotomie entre écoles soi-disant arabes et écoles soi-disant françaises. Évidemment, nous devons faire attention à ne pas prendre dans à ne pas utiliser la science avec un regard critique, parce que aucune technique n'est neutre, y compris les technologies qu'on est en train de nous, inventer et de nous apporter. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de revenir sur le déclin de la suprématie scientifique du monde musulman et comment nous devons reprendre le dessus parce que la solution est là et seulement là. En réalité, à l'origine de la religion musulmane, il y avait cette articulation entre foi et science. Et c'est cela qui a permis au monde musulman d'aller à la découverte, euh, d'avoir sa suprématie entre le 8e et le 12e siècle. Mais au moment où il y a eu ce déclin, c'est l'Occident qui a récupéré, par le biais de l'Europe du Sud, vous le savez, c'est l'Occident qui a récupéré ses, connaissances scientifiques, mais au moment où l'Occident était en désamour avec le premier monothéisme, c'est-à-dire avec le christianisme. Et c'est là où la foi et la science se sont séparées. Or, comme je le discute avec mes professeurs, nous ne pouvons pas arriver à la transformation de ce monde dans le sens positif tel que la religion l'avait dit si nous ne retournons pas à la réconciliation entre la foi et la science. Et c'est là où j'essaie de voir quelle est la partition que l'Afrique et essentiellement nos tarikhas ici dans l'espace sénégalais pourront jouer. Et je pense qu'ils ont un rôle important à jouer dans la mesure où ils ont gardé cette chose qui était conceptuelle à la mission de notre religion à travers les enseignements de nos guides que sont Ahmadou Bamba et El Malik et tous les autres parce qu'ici, y compris au Sénégal, quand on prend le foyer de chez Hadi Touré, nous savons que l'astronomie était aussi étudiée dans ces espaces-là. Donc, il nous faut euh, revenir à cela en passant par deux choses. Comment l'entrée de l'islam est venue dans le monde africain Il y a eu deux voies. La voie des Ibadites, qui ont été surtout en Algérie et qui sont partis vers l'Afrique de l'Est, et la voie des, des sunnites et des chiites. La voie des Ibadites même s'ils ont rompu avec la dimension politique, ont conservé la dimension, l'approche technologique et scientifique. C'est eux qui ont été à la base de, toutes les routes du Sahara, du travail d'urbanisation, de l'irrigation, etc. Par contre, les sunnites auxquels nous nous appartenons ici, malikites, nous avons mis plus l'accent sur la dimension politique. Et c'est ça, et ils ont construit quand même des États avec des formes d'organisation très avancées pour permettre les des peuples et je veux parler de l'Empire du Mali. Et c'est cet héritage-là que nous avons capté, nous. Et d'ailleurs, je disais à Sani Abdullahad, en fonction de mes recherches, je comprends pourquoi au Sénégal, les tariqas sont très proches des politiques. C'est aussi notre héritage par rapport au cheminement de l'islam. Mais il va falloir réconcilier les deux, à la fois la dimension politique et la dimension scientifique. Et c'est pourquoi j'en appelle, en tout cas, aux euh, aux, jeunes générations aujourd'hui. Parce que les premiers, les fondateurs des confréries ici au Sénégal, ont accompli les missions qui étaient à les leurs par rapport au contexte historique et politique dans lequel nous étions et qui nous ont permis, en tout cas pour un pays comme le Sénégal, d'avoir une nation, une, une nation euh, extrêmement stable qui constitue un modèle dans cette sous-région. Si nous avons traversé euh, revenu à cette notion d'universalité. Que le Sénégalais, quel que soit son groupe ethnique, se sente d'abord mouride, se sente d'abord tigane, c'est là la construction d'une certaine forme d'unicité qui est liée avec cette vision et cet esprit de l'islam qui doit gommer toutes les autres barrières qui, autres que celles qui sont religieuses. Alors, mais le problème que nous avons, c'est vrai que dans le monde arabe, le déclin de l'islam est venu aussi de nos volontés des, dynasties qui ont voulu s'installer dans une logique de contrôle absolu du pouvoir en rupture avec ce que la mission divine leur demandait, c'est-à-dire la question de la direction de la communauté ne doit être bâtie que sur la connaissance et sur la science, uniquement sur la connaissance. Mais à partir du moment où les gens ont voulu en faire un renouvellement à l'intérieur de ceux-là qui ont contrôlé le pouvoir, c'est ça qui a été à la base du déclin du monde islamique dans le monde arabe. Et évidemment, les tarikhas, en tout cas en Afrique subsaharienne, ont été ces réceptacles qui ont permis de sauver un petit peu en termes de connaissances, en termes d'organisation. Mais leur limite aussi, c'est cet enfermement-là. Et c'est là où on a rompu avec la rationalité. Quand le modèle islamique était un modèle ouvert, parce qu'on nous a appris qu'y compris à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait être invité dans les discussions, toute la communauté, quelle que soit leur appartenance, ça veut dire qu'il y avait une ouverture maximale. Mais quand les tarikhas se referment entre eux, pour ne mettre la transmission que de manière, comme on dit, interne, évidemment là, on rompt avec la possibilité d'une expansion de la connaissance euh, scientifique. Or, il nous faut renouer avec cela et remettre la science et la connaissance au cœur de notre problématique. Et ce n'est que de cette manière que le monde musulman, ou en tout cas l'Afrique aussi qui a une part à jouer, pourra renouer de manière euh, définitive dans la réconciliation du savoir et de la foi. Parce que sans le savoir et la foi, le monde va aller à sa perte. Parce qu'aujourd'hui, le modèle que nous appelons la mondialisation, issue du modèle capitaliste ou du modèle communiste, qu'elle n'est pas d'ailleurs, tous n'ont qu'un seul objectif, c'est la richesse matérielle. Y compris le monde communiste, quand il pose, ne posait pas la liberté au sens où la religion musulmane nous l'a donnée en disant que nous sommes tous égaux devant Dieu. Mais cette liberté-là, ce n'était pas par rapport, la libération du monde ne devait pas se faire par la connaissance et par la liberté, mais par une classe qui était la classe ouvrière, qui était euh, omnibulée par une chose, c'est-à-dire l'absence de richesse. Donc, que ce soit le capitalisme ou que ce soit le communisme, ne sont pas à la hauteur de l'ambition et de la vision que les religions révélées nous ont apportées. Et c'est là le sens de la responsabilité aujourd'hui, de ceux qui sont aujourd'hui l'élite musulmane, et j'en appelle en tout cas à nos hommes religieux dans ce Sénégal. Parce que le débat que nous avons ces temps-ci, et ce conflit et cette opposition que nous avons entre l'école soi-disant occidentale ou française et l'école soi-disant musulmane, pour moi, n'a pas de sens. Elle a de sens dans les principes, mais dans le fond, c'est vrai que c'est deux, deux logiques qui s'affrontent, mais nous avons la capacité d'aller vers cette réconciliation parce qu'au moment où on découvre le pétrole au Sénégal, ce qui nous importe demain, c'est d'avoir des ingénieurs qui ont la connaissance. Peu importe la langue dans laquelle ils vont l'apprendre, que ce soit du chinois, que ce soit la langue arabe ou que ce soit la langue française ou la langue wolof, nous avons besoin de gens qui ont la connaissance scientifique pour conduire le monde, parce que c'est ça, cette mission que Dieu nous a assignée. Si nous devons être ces dignes représentants sur Terre, nous avons la responsabilité de d'assumer cette mission pour conduire cette planète Terre, non pas à sa catastrophe, non pas à sa destruction, mais de le rendre tel que le Seigneur nous a demandé de le faire. Alors, euh, je reviendrai encore sur euh, cette question de, de, renouveau pour dire que les musulmans ne doivent pas tourner le dos à la science sous prétexte qu'elle est produite par l'Occident, puisque cette dernière, comme le dit l'écrivain ivoirien Bernard Dadier, n'a inventé ni la poudre, ni la boussole, mais il les a utilisés pour vaincre le monde. D'ailleurs, Jacques Attali, je l'ai entendu il y a quelques mois, dire que le système que nous utilisons pour l'informatique aujourd'hui a pris naissance dans le Sahara, ici. Je ne suis pas suffisamment outillé pour aller dans ces explications assez profondes, mais c'était assez intéressant que ce monsieur-là nous dise que dans cet espace de l'Afrique noire, ce qu'on appelle aujourd'hui la science et le complexe qu'on veut nous donner en disant que nous ne faisons que du tam-tam, nous ne faisons que de la danse, etc., ce n'est absolument pas vrai, c'est faux. Nous avons des formes de connaissances que nous avons apportées au monde, mais aujourd'hui, c'est là où notre travail est important de retourner sur toute cette trajectoire pour que les Africains sachent que, y compris dans le monde arabe, nous avons apporté notre part en termes de connaissances. Nous savons tous ce qui s'est passé à Tombouctou avec l'invasion du Maroc. Donc, nous savons que nous avons eu d'éminents enseignants qui sont partis au Maroc parce que leur niveau de savoir et de connaissance, en tout cas, était supérieur ou du moins égal à ceux-là qu'ils ont trouvés sur place. Alors, si les Africains, les musulmans d'une manière générale, acceptent de façon critique mais il faut qu'on accepte de façon critique la science privatisée par les Occidentaux. Parce que sinon, ils vont nous déposséder de tout savoir, y compris de nos propres savoirs. Je parlais tout à l'heure de la firme Monsanto. Vous en aviez entendu parler sur les questions des OGM, e je ne reviendrai pas là-dessus. Nous avons aussi euh, ce problème avec l'OMC sur les brevets que nous déposons. Euh, la même situation guette la production des artisans africains ou du monde musulman qui n'ont pas la culture des droits d'auteur et ne maîtrisent pas les règles édictées par une OMC au seul service des intérêts des Occidentaux. Alors, pour terminer sur ce type de réflexion, je pense que nous devons renouer avec la vocation universaliste de l'islam, parce que c'est l'islam qui est universaliste. La mondialisation n'est pas universaliste, parce que c'est une mondialisation qui est fondée sur des rapports de domination d'exploitation de races, de classes et d'ethnie y compris de sexe. Alors que l'islam nous avait tous libérés. Et la seule chose qui vaille, à mon avis, pour l'être humain sur cette terre, c'est la notion de liberté. Parce que si cette liberté octroyée par Dieu est bien comprise, nous n'allons pas nous enseigner, nous enchaîner plutôt sur des formes de servitude liées au pouvoir de l'argent, liées au pouvoir politique ou toute autre forme de pouvoir possible. C'est la liberté c'est cette liberté que Dieu nous a accordée, tous, y compris hommes et femmes. C'est sur ça que nous devons revenir. Alors, les confrères devraient s'atteler à la tâche et vulgariser les travaux des fondateurs, qui, au-delà de seuls enseignements du Coran, faisaient aussi des réflexions de la science et même des techniques. Le message initiatique des fondateurs des confréries au Sénégal était surtout un message révolutionnaire, car grâce au principe de l'universalité de l'islam, rendant les hommes d'égale valeur et d'égale dignité, ils les ont libérés des chaînes d'une aristocratie oppressive et leur ont offert les moyens d'une résistance intérieure face à la colonisation. Mais pour que les héritiers comprennent leurs responsabilités, il leur faut sortir de l'enfermement biologique. Le message d'universalisme de l'islam doit être perpétué par les continuateurs, car comme nous l'enseigne l'histoire du monde musulman, toute tentative d'utiliser la seule dimension transcendante de la religion pour justifier au nom de Dieu une volonté de domination des peuples se traduira fatalement par le déclin, car c'est la liberté qui est le moteur de l'histoire. En réalité, comme aujourd'hui la démocratie, c'est au nom de la démocratie que les gens prennent le pouvoir pour ensuite, une fois installés au pouvoir, perpétuer leur reproduction. Et c'est souvent au nom de l'universalisme que des groupes ont appelé les peuples à la guerre, à la djihad, au nom de l'islam. Mais en réalité, l'objectif, c'est qu'une fois arrivé au pouvoir, de se reproduire, de se maintenir et de se perpétuer. Alors, c'est l'islam qui doit influencer la mondialisation. Parce que celle-là, c'est ça la mission que nous avait donnée. Parce que l'islam n'est pas pour le peuple arabe, n'est pas pour le peuple africain, n'est pas pour le peuple européen. C'est un message universel. Et c'est ce message universel-là qui aujourd'hui doit remettre à l'endroit ce que nous sommes en train d'appeler la mondialisation, parce qu'en réalité, c'est juste une pensée unique au profit d'un groupe unique, qui n'est plus aujourd'hui simplement occidental, mais c'est au profit de ce que Marx appelait les, les, capitalistes de tous les pays. Quand il disait prolétaires de tous les pays, unissez-vous, c'est les capitalistes de tous les pays, qu'ils soient sénégalais, qu'ils soient marocains ou qu'ils soient, quand ils ont tous les mêmes intérêts, ils sont tous dans le même bloc. Alors, euh, nous avons un futur, à mon avis, à construire ensemble. Et ce futur-là passe par l'éducation. Comment la question que je pose maintenant pour terminer à ceux-là qui aujourd'hui ont une légitimité sociologique et historique par rapport à l'implantation de notre religion dans nos espaces, c'est de me poser la question, est-ce qu'ils ont l'ambition d'être à la hauteur de la mission qui leur a été léguée par leurs ancêtres, qui leur a été léguée par leurs aînés, qui leur a été léguée par leurs prédécesseurs C'est-à-dire faire en sorte que cet islam-là, dans l'espace africain, puisse parler en retournant au message initial qui est le message coranique. Et non pas se construire des espaces de pouvoir dont la seule ambition est le contrôle des richesses dans nos espaces. Parce que ce qui se passe au Mali, ce qui se passe sur les routes du pétrole, nous comprenons de quoi il s'agit. C'est des alliances d'intérêts de groupe pour le contrôle du sous-sol de nos espaces. Et évidemment, c'est au nom de l'islam composent ces types de préoccupations, et pour des peuples comme les nôtres, qui sont profondément religieux, quel que soit leur degré de compréhension, il est très facile de les entraîner vers ce qu'on appelle aujourd'hui des conflits dont l'aboutissement et la finalité n'a rien à voir avec la religion, mais la seule finalité, c'est le contrôle des ressources et des richesses de nos sous-sols. Et c'est là la responsabilité de chacun d'entre nous aujourd'hui. Ce n'est plus la responsabilité simplement de tel groupe qui se proclame religieux. Moi, je dis toujours aux gens, écoutez, et je le dis en Wolof, comme vous voulez, vous ni la tollu ci Yalla. Mais Yalla rek mo xam lan la jaam bi tollu ci mom. Kon lima doon wax fi tay, ma teunk ko ci Wolof, modi buñu euh, dekkalu islam fi mu tollu tay ci xam xam rek la meuna lalu. Parce que islam ci xam xam la juddoo. niñ koy wën a wax moo di saar bi ñu njëkk génn ci alxuraan daf ñu sant ñu dem jàng ci te njàng moomu nag yàlla xamloo woon ñu nekk jiite woon nga koon diine bi dañ ko xam-xam boo xam ni ñu jël mu ñu def ci seen alal def ci seen xam-xam def ci seen mënin ba fexe dajale ci fépp fi islaam sampoon tànkam ñu génne xam-xam ba fa nekk ba ñeenti siècle huitième siècle bu douzième siècle xam-xam bu génn ci àddina ci monde musulman musulman la génne génnewul ci tubaab génnewul ci américain génnewul ci feneen kon nag looloo taxoon ñun ñu dominé woon àddina bi mais fi ñu daanoo li ñu daaneel mooy bi nga xam ne dañu dem war a wook ak li ñu suñu borom santoon moo di ñu teg àddina bi ci xam-xam ak ci mën-mën waaye ñu bëgg ko teg ci ndoneel looloo tax li ñuy wax li ko euh, kii kii euh, nu ñu koy waxatee dynastie yi juddu dina nërmeelal islaam bi ñu nërmelee islaam nag tarixa yi mujj ko aw mais niñ ko awoo mujj gi xam-xam bi ci seen biir rek lañ koy joxe or xam-xam il faut ñu yaatal ko na mu amee woon ca Médine nga xam ne borom yonent bi sallallahu bu daan woote ñëpp lay oo seetul kuy jullit ak dul jullit léegi nag li ci des moo di tey fi ñu toll ci àddina bi ñi ngànk diir àddina bi xam-xam bi ñuy mbubboo moomuñu ko parce que li ma wax ci tubaab génne nañu xeetu jàngale yépp nan la génne ci monde musulman waaye dañ ko ngànkoo tey foofu nag lañ war bañ a réere bu ñu ñëwee tey ñanaan nii arabisant lañu ñii francophone lañu lii la neen xam-xam amul ku ko moom kon nag ñun dañu war a xam parce que li ñuy jàngale géométrie li ñuy jàngale algèbre li ñuy jàngale ci biir loolu ñu wax ni école tubaab la tubaab bi moomu ko xam-xam boobu si ñun la jóge woon waaye tey mu ñuy nax nag ñun ñu gëm ko bu ko defee ñu naan école tubaab la dëgg la naam tubaab bi nag dañu war seggantal la mu cee dëxañ ca biir ñu war ko seppi waaye dañoo war ñun jël ci suñu bopp xamni dañu wara fu xam-xam nek ñu wutiko nañ ñuko sante won loluy mën tax islam delu wat sa na mu nekk woon démb c'est-à-dire nimu fexe won ba adina bi yob mu teg fi tànk mu delu wat teg fi tànk te mom rek moko mën parce que islam daf ko tegon dafa bolé won xam-xam ak ni ñi wax foi moy lan Aziz ak pas-pas ak ngëm-ngëm légui nak toat ni nga xamni ñun ño leen jox xam-xam bi mu jaarale ko ci Espagne

parce que li li nërmeeloon ci monde arabe ak li dynastie bu ottul mën na nërmeel aussi ci Afrique tarixa yiñ fi am kon fokk ñu seetaat ko ñu terminer ci loolu moo di li may wax euh, Sénégal am na fi waxu école tubaab ak waxu école arabe man gëmuma loolu parce que la ñuy jàngale ci école tubaab ba tubaab ba moomu ko si monde musulman la ko jële woon ñun kay dañu war a fexe ba xam naka la ñuy jëlaat suñu yëf suñu yëfu bopp moomal ko suñu bopp